Ben, aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici à la salle mythique euh, des fêtes de Rufisque pour célébrer la quatrième édition de l'ADAPI. Euh, c'est une façon de de mettre en valeur et d'informer la société sur le travail qui se fait au niveau de l'ADAPI de, de Rufisque. L'ADAPI, c'est une structure que nous avons créée il y a cinq ans de cela, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et chaque année, nous nous, sommes, nous, nous évertuons à organiser une édition pour retracer le parcours de l'ADPI durant l'année est planché sur un thème très important dans le cadre de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le thème d'aujourd'hui, de cette année plutôt, euh, est relatif à la carte d'égalité des chances, une carte qui a été euh, mise sous la loi 2010 par le président de la République. Depuis 2010, donc, il y a la loi d'orientation sociale qui renferme cette carte d'égalité des chances destinée à toute personne vivant avec un handicap. En principe et en fait, toute personne vivant avec un handicap devraient bénéficier de cette carte d'égalité des chances. Ça fait bientôt 10 ans, depuis, 2010, ça fait plus de 10 ans. au, niveau du Sénégal, il y a au moins 1,5 million de handicapés recensés, alors qu'il y a des, des poches qui ne sont pas encore recensées. Ça, c'est le, les chiffres de l'État, mais le, le chiffre réel dépasse pratiquement 1 million 500 000 francs, 500, euh, 500 personnes vivant avec un handicap. Mais de ces 1,6 million 600 euh, euh, handicapés, il n'y a que 72 000 qui ont bénéficié, au moment où je vous parle, de la carte d'égalité des chances. Et c'est une carte qui permet, qui autorise beaucoup d'avantages pour la personne handicapée aussi bien sur le plan de l'éducation, sur le plan du transport, sur le plan de la formation, entre autres. Mais malheureusement, depuis presque deux ans, c'est comme qui dirait que la chose est bloquée. Les gens déposent pendant près de deux ans sans avoir de réponse. C'est dû au fait qu'il y a, il y a mal donne. Et il est temps que ce problème-là soit réglé pour que les, avantages promis à ces personnes vivant avec un handicap leur soient, euh, comment dirais-je, voués. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'ADAPI, où nous recensons plusieurs handicapés, ne serait-ce que pour le département de Rufus où nous sommes. Pour rappel, l'ADAPI, c'est l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. Depuis que nous l'avons créée, donc, nous avons fait des recensements à, travers le département. Mais pour cinq communes recensées, nous nous sommes retrouvés avec près de 800 personnes vivant avec un handicap. Et de ces 800, j'avoue qu'il n'y a pas une centaine hein, qui ont eu la carte d'égalité des chances. C'est dramatique. Et là, aujourd'hui, nous nous portons en, en, plaideur. nous allons faire des plaidoyers pour que l'État prenne en compte les personnes vivant avec un handicap qui ont des besoins. Comme vous et moi, ces besoins-là, il faut les satisfaire. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais qu'il y ait au moins une certaine progression dans la, confection et la délivrance de ces cartes d'égalité des chances. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici au niveau de la salle de fête pour trouver les tenants et les aboutissants de la problématique euh, de, la carte d'égalité des chances. Euh, nous sommes en train de plancher, comme je l'ai dit tantôt, sur, ce problème. Euh, on va peut-être trouver des solutions. En tout cas, nous, au niveau de l'ADP, en tant que structure qui travaille, qui défend les causes des personnes vivant avec un handicap, notamment les enfants, euh, nous nous, nous, portons comme des défenseurs pour régler ce problème, pour que ce problème-là trouve une solution euh, au bonheur des personnes vivant avec un Pourquoi vous avez choisi Pour cette année ah ben, je vous l'ai dit tantôt, chaque année nous choisissons un thème. Hein L'année prochaine, on choisira un autre thème. C'est un thème d'actualité. C'est parce que le, problème est, très criard. Hein c'est mais les personnes vivant avec un handicap sont là. Hein? Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont absolument rien, elles n'ont absolument rien du tout. Alors que c'est des bourses qui peuvent, euh, être utiles. Hein. C'est 35 000 francs par mois. Mais c'est une bonne chose, ça. Hein. Et c'est les, parents des enfants handicapés qui sont, qui sont dans le département. Mais c'est des gens qui sont extrêmement diminués. Pour ce faire, il faudrait nécessairement que nous mettons le pied sur le, sur l'accélérateur pour que l'État fasse de sorte que la production de ces cartes se fasse d'une manière efficace, réelle et, et, et, et quantitative, Madame Faye, Lydie Sagna, permanente et chef de service administratif de la DAPI. 4 quatrième édition comme nous l'avons dit, waxee li waral 4 quatrième édition bi moy euh, que dañuy am ay laaj yu bari dañuy am ay yu bari ci ñoo xam ne dañuy ñëw jaaxle parce que ñenn ñi dañuy yor seen carte te du leen amal njariñ ñeen ñi bëgg jot ci carte yi déposer lu mat at wala ñaare at te duñ ci jot ñenn ñi yor seen carte waaye ñenn ñi fay fayeeku nañ si waaye duñ ci mën a faju donc dañu bëgg ñoom comme laaj yi nga xam ne ñoom la ñuy ñëw di ñu laaj ñun waa ADAPEI yi te amuñu réponse moo tax tey ñu indi ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñooy euh, ñooy defar carte yi ñoom ñoo yor mbirum kart yi teg leen fi pour que ñoom ñu tontu ci laaju yaay yi pour que ñoom ñu gindi yaay yi wax leen lan moo tax tey yaay dafay soxla carte war koo am te du ko am. yaay dafay soxla carte dafay am carte ba pare war cee faju baa mu war cee euh, fayeeku te du ci fayeeku wala yaay war a am carte te toog toog deux ans di xaar carte bi te carte bi génnoo loolu yëpp moo waral tey ñu daje fi def quatrième édition bi def ci thème boobu. waaw man maa ngi tudd Khady Seck ñu may gën maa xamee nag nek trésorière générale bu ADPI donc tey jii nag euh, dañoo formé woon jigéen ADPI dafa formé won jigen yi ah mu jaare ci man en tant que transformatrice tey jii ñu formé won len ci euh, savonnerie muy saponification ñu defoon savon médical en base de karité defal euh, tamit eau de javel donc comme niko suñu permanente bi waxé amna aussi ya nga xamante ne nañ ko fi ah ñuy formé ci won antenne yépp nak tey jii nag euh, adp ADPI euh, li ñu def tey jii dañuy innover rek ndax euh, chaque jour dañu dëkk ci former les mamans enfants handicapés ndax tey jii dañu bëgg maman bu ci nekk am autonomie parce que tey jii dañu wax consommer local ndax produit yi ñuy defar nii tey yëpp dañ koy soxla te fii lañ produit yi fii lañ ko jëlee fii ci suñu dëkk muy Sénégal donc tey maman yi tey jii dañu bëgg tey jii bu ñu soxlaa làmb seen poos faj seen soxla ADP yi nag dañuy sant suñu président muy président Moussa Samba dañuy wax ne ñun buñ ko amul naka def ndax président Moussa Samba heure bi war na ko fekk mu dem tëdd ne moom kat retraité na waaye tey jii dafa taxaw yi man mii di wax ni trésorière générale la mais mama enfant handicapé la j'ai deux enfants handicapés l'un est porté disparu depuis euh, sept ans tey santriya. ki aussi ngi centre ya grace nag ak ADP yi tey jii moo ñu may courage bu ñu taxawee tey jii ñun maman yi ba mën a tey jii di liggéey la nga xamante ne mën nañ koo jëriñoo jëriñ ci suñu doom yi te duñu tàllal kenn loxo kon ñun dañuy sant ñëpp di nuyu sant it euh, suñu vice présidente Adja Mame Binta Cissé. asalaamaaleykum Mame Binta Cissé première vice présidente de l'ADAPI euh, di leen nuyu di leen santwaat ci seen. Euh, partenariat bi ñu wax def ak yéen vraiment chaque fois bu ñu jaaxlee yéen a ngi fi euh, quatrième édition bi mon impression mon ressenti c'est que chaque année euh, pays dafay ne dañuy def en sorte que bi ñu defoon daaw bi gën ko mucc ayib et yaakaar naa ne bu ngeen duggee ci salle bi euh, du mbooloo mu mobiliser fay leen ce sont des gens qui ont des préoccupations des personnes handicapées fi euh, ce sont des personnes qui sont qui sont par la question du handicap que ce soit les techniciens que ce soit les scientifiques que ce soit même la personne qui préside en fait ils sont préoccupés par la question du handicap donc ndaje bi la directrice de l'action sociale NENA, c'est euh, l'un des moments phares de la semaine nationale des personnes handicapées pour nous, fu fa parce que mon ministère yor département bobo, bu toll noonu wax lu mel noonu ci euh, adapé wax journée bi bu fa di gërëm cinquième édition inshallah avec vous comme partenaire et euh, encore pour beaucoup d'autres succès